Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance au nouveau les merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau les gars, chaque fois de partager une information en bon Sénégalais fait fo demati nekk 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal l'hôpital yi ci kër yi février. Nous sommes na suñu borom fëgg seen bopp ngay wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga erreur judiciaire ak def jiñ leen lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa tegaat leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité on continue actualité bi gars yi dañuy ki nga xam Sadio Kaiser magnifique Mané tey trois buts la dugal ñetti buts la dugal benn bi moom signalé mais également Sadio Mané qui marque sur penalty le gros match de bien entendu entre euh, Newcastle et Manchester City Erling bro, Haaland et également Ismaïla Sarr qui a parlé à King nga donc Steven Gerrard nañ ci mais aussi gars ce qu'il faut retenir aujourd'hui moi le premier carton rouge de Kalidou Koulibaly en Premier League bi le premier carton rouge bu Kalidou Koulibaly jël ca Premier League troisième match hein, premier carton rouge loo xam gars yi nag ah na nekk loo xam Chelsea bëgguñu ko won mais malheureusement ça fait partie du jeu. Walid Regragui moy le nouvel le nouveau sélectionneur bu waa Maroc gannaaw ba nga xamee ne Aliou Dzik moom dañ ko daldi dakh gaay donc Aliou Dzik nag dàqam bi taxna aujourd'hui donc Regragui nekkoon koo ko xamné aussi il est l'entraîneur du côté du Maroc hein, dans les clubs là-bas donc mom lañ mujjé fal li na gars yi mooy donc maillot équipe nationale de France bi fuité par rapport li nga xamné nak mom moy donc li di seen euh, coupe du monde bi di jëm maillot à domicile bu équipe de France mom ngeen gis ni donc signé Knight donc les Français bi lañ ñu war euh, sol ki nga xamné ne également mooy Fiorentino Perez il a rendu hommage à Casemiro Casemiro légende là, il a gagné le droit de décider fan le le par rapport à nga xam à donc avenir am ak euh, Real de Madrid te euh, donc qui a tenu à rendre hommage à Casemiro pendant ça également il ne faut pas oublier que hier la Casablanca s'est imposée face à Celta Vigo 4 buts à 1 avec notamment un but signé Karim Benzegol Benzema mais que dire de la passe de Luka Modric qui passe au grave le monde de Steph et le but également de Vinicius Junior le Real qui assure et qui s'amuse aussi. Du côté du FC Barcelone, mais aussi il faut noter que Jules Koundé ne va pas encore jouer parce que mon ba inscrit le guñ pour mën jouer Liga L'on a commencé na. indi à mais on espère Barcelone ils espèrent que semaine même bien une équipe régler situation bu Rennes décroche enfin sa première victoire donc Rennes mi de xam de gars yi donc Tainak, ah, dafa ndërmeelu woon donc Ajaccio ah, Ajaccio 2 buts à 1 donc Rennes de Alfred Gomis toujours sur le banc Nyom am nañ cette victoire bidali njëkk Robert Lewandowski également gars il a tenu à rendre hommage ak ki mo xam ne mooy yoroon club nee na tey su bi yu bari c'est parce que temps yi ma yoroon club yoree daf ma don jox 50 euh, euros euh, bu fekkee ne euh, dugal naa li nga xamné nak moy mooy buts si entraînement yo xamné dañ koy def donc nee na loolu noonu mu waxoon na tax mu mu daal di gën di nek tay buteur bi mu don pendant ça aussi qui dit donc Ismaïla Sarr Iso Sarr donc il va s'engager du côté de Aston Villa parce que gars yi nee nañ am accord accord bi nak c'est cinq ans donc le signer du côté de Aston Villa au total on parle de donc 28 à 30 millions d'euros bonus y compris Qui n'a di Steven Gerrard mom wo na ki nga xam moy Ismaël Ismaël Sarr bi nga xamee qui euh, di donc Aston Villa ak qui est plutôt ah, donc Watford du donc il a discuté avec le joueur Ismaël iso donc Watanen d'accord donc Ismaël Sarr va rejoindre la Premier League il va jouer du côté de Aston Villa mais aujourd'hui également il faudra qu'il bataille il faut mourir parce qu'il faut également Aston Villa actuellement ils ont beaucoup d'ailiers ils ont beaucoup d'attaquants donc à Ismaël Sarr de faire ses preuves et de s'imposer Newcastle Manchester City 3 buts à 1 gars Newcastle ah. donc City 1 but à 0 à la 5 5e minute par Gundogan après nak Newcastle mëne donc 2 buts à 1 euh, ba 3 sax après a moy Haaland Dougal ak Silva Bernardo Silva Daddy Dougal. et Newcastle donc ak ñii Manchester City ñu tembo Erling bro qui a marqué donc encore un autre but aujourd'hui Gaïd de di Premier League yombul hein, Premier League yombul gars yi xeeb non Sadio Mané de buts yi muy dugal li Sadio Mané aujourd'hui il est du côté du de l'Allemagne que nous le jeu est beaucoup plus ouvert parce que même défenseurs dañuy attaquer ñom ils aiment donc la possession donc aujourd'hui quand tu es dans un championnat comme le championnat anglais bi nga xamné ne dañuy bi c'est pas facile donc aujourd'hui également ça montre au à quel point Sadio Mané est un grand joueur aujourd'hui encore il a montré le Bayern de Munich euh, qui s'est donc imposé gars à l'extérieur de génneem Bochum pour le Bayern encore gars défat benen record hein. donc 20 buts en 4 matchs, gars. 20 buts en 4 matchs pour le Bayern de Munich, version 2022-2023, avec Sadio Kaiser Magnifique Mané également Julian Nagelsmann, qui peut aujourd'hui gagner. Aujourd'hui, l'équipe du Bayern de Munich, Gaï Mingi, monter en puissance et que Lewandowski dépendance est de l'histoire ancienne. Madame Nia Karone Lewandowski, vous dites Bayern dem Bayern Mingi Dem Attention, aujourd'hui, il a un peu changé. On a un net changement dynamique. Amne, Gizgen ngeen ko ki xam a Neuer également Upamecano de Ligt ñoo est ci défense bi Hernandez ak Pavard ci qui est qui qui également moi, Kimi Kimmich ak aussi euh, Sabitzer nek ci milieu défensif bi Müller ak aussi ki nga xam donc moy donc ki di Coman euh, nek ci kaw sans oublier également Leroy Sané nek ci et aussi ki nga xam moy donc Sadio Kaiser Magnifique Mané Alphonso Davies gars yi nag dafa amoon problème au niveau des muscles problème musculaire motax tax jouewul tey mais tous les nouveaux yi nga xam ne nañ tay ils ont marqué ki nga xam moy euh, donc Mathis de il a marqué son premier but Mathis de li nga xam nekone première titularisation premier but pour le hollandais moom nga ah, donc problème ci côté ci ben loxo bi gis ngeen ko ko donc également sans oublier Leroy Sané bi nga xamne mom waxon nako néna ñewu daf may gëna motiver da fay a tax ma jouer da fay gëna tax ma gëna mëna sama et il l'a montré ki nga xamne moy Leroy Sané di len mois de juillet bi plus beau but bi moy final bi mu le contre nga donc RB Leipzig les commandes également gars les Kingsley est-ce que kuy dajeeg mom ci di nga non, gars, Kingsley Coman, c'est autre chose, gars. Coman, il t'amène dans le coma. Comme on dit, Kingsley Coman, il nous amène dans le coma parce qu'aujourd'hui encore, il a marqué, il a dribblé, il sait faire du Coman et il l'a montré, gars. On est dans Serge Gnabry également, Dougouna, mon fracture, tu l'auras aussi. Il a, euh, il a marqué également. Dougouna Taïdi, Serge Gnabry, beaucoup de festival, nek lo xamne gaay nak lu dadi rafet na ah. bayam lu gars. attention nous lu yomb ah. japp ne de dol 6 grand, nga no bayam championnat bi dafa ça n'a rien à voir Sadio Mané gars, qui a marqué un but but de daf ko dougal arbitre gisu ko signalé wu ko montre bi sonewul wul message Mané moo ko arbitre loxo la ko dugal lol na gay nek geste bo xam c'est un geste bo xam ni ñu bari ñing koy saluer ne Sadio Mané mënoon nako baña def mais c'est lui-même gay qui a dit à l'arbitre arbitre attention bi bi sama loxo laaka la gis ngeen ko mu koy wanaat fii nii ci loxom donc Sadio Mané qui malgré ça gay il comme on dit quand tu fais du bien rek booy def lu bax rek lu bax ngay am 1 minute 30 après 1 minute 30 secondes après Sadio Mané daal di dugal deuxième but le deuxième but en championnat pour le Bayern de Munich un but magnifique boo xam a gars dafa li donc défenseur bi Double ko ci angle fermé et en plus du pied gauche Sadio Mané a marqué Sadio Mané plutôt a marqué un excellent un magnifique but et Julian Nagelsmann également est très content ce qu'il faut savoir également mooy Sadio Mané a double de penalty Il y a ko Sadio tireur de penalty aujourd'hui du Bayern de Munich moom Müller et gars devinez depuis 2020 part Müller mi doon deux penalty yi beneen jour rek deux dóor penalty à part Müller Müller Lewandowski donc Sadio Mané mooy troisième jour depuis 2020 a tiré un penalty pour le Bayern de Munich euh, classement Barini, le Bayern de Munich gars premier avec 9 points en 3 journées Borussia Mönchengladbach mon stop. Union Berlin top aussi également Mayence top qui Freiburg Freiburg également top, qui Hoffenheim Dortmund gars Nyom Gisgenlen, parmi les meilleurs buteurs Sadio Mané co-meilleur buteur avec Jamal Musiala Onisio également un hein, box meilleur buteur Trois buts le am Serge Gnabry également qui a marqué euh, deux buts donc Sadio Kaiser magnifique Mané qui est en train d'écrire son nom du côté du Bayern de Munich Gaï. donc Gaï, c'était les informations que je voulais vous donner lan qui match Sadio Mané Mitaï. Sadio Mané Gengis gis Tout ko penalty encore une fois donc il est en train de se parfaire du côté Bob Non. Non également accord bi Ismaël du côté de Aston Villa Vous voulez like vous voulez di abonné